Allah ya zagin kowa, Allah ya zagin kowa, in ka bida zai baka, kalkace zamboni ba zango yake diki kowa, batun kiɗi na dadi, in dai ana son kwaro goge ya yi molo dadi. Nigerian, Nigerian. mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalango présente l'artiste s'exprime. Hey. Fou. Fou. Rappelez certainement de l'artiste, il était hier sur l'émission Franco Aoussa présenté par la mistream Vous avez eu le parcours en question du combattant. Qui il était Eh, vous le savez déjà. Et j'espère que vous avez pris bonne note. Pour ceux qui ont raté l'émission, rien n'est encore perdu. À l'heure où je parle, vous avez la possibilité d'aller sur le site du studio Kalango pour recueillir toutes les informations sur l'artiste. Il a une passion pour la culture. Il aime le Niger, il aime le blanc, le vert et aussi l'orange et le disque qui au milieu qui représente vaillamment les couleurs nationales. Il fait partie de ceux qui sont, euh, qui se battent pour donc amener, euh, n'est-ce pas, un changement au sein de l'île nationale la nigérienne, auprès du grand Niger, tout puissant. L'artiste Dandy la machine. T'es souhaite Une fois de plus, la bienvenue sur cette émission. Comment tu vas Ça va eh, J'étais content en tout cas de te recevoir hein, sur cette émission. Hier, on avait parlé, euh, n'est-ce pas, de toi. Euh, on a déjà une, une certaine. Euh, euh, information ok, sur ta personne. Et aujourd'hui, sur cette émission, nous allons parler de culture légère. De culture Nous allons parler de cette page, ok, d'accord, qui, nous donne l'actualité et cette page que nous suivons chaque jour que Dieu fait. Si aujourd'hui nous, euh, nous, avons l'habitude de dire sur cette émission euh, que la rubrique L'artiste s'exprime est consacrée à l'art et à ceux qui le pratiquent, mais tu fais partie de ces gens, tu pratiques l'art chaque jour que Dieu fait. Parce que tu donnes cette visibilité, eh bien évidemment, à l'art. Et c'est déjà très, très important. Alors aujourd'hui, parlons de culture Niger. De comment est-ce que tu as créé cette page Du pourquoi de cette page de la promotion que tu fais sur cette page. C'est important que nous parlons de tout ça pour permettre aux jeunes qui nous kiffent d'avoir toutes ces informations. C'est ça aussi, l'artiste s'exprime, mon ami. Je suis en train de vivre quelque chose que je voudrais que mon enfant vive cela. C'est voir ton héritier vivant. Donc culture Niger, en réalité, c'est la version numérique mhm. du journal Le Cazette. Et le journal Le Cazel, pour rappel, c'est un journal du papa. Ok. C'est Monsieur Cazel qui a fait son journal. Bien sûr. Dans les années 70-80. Ok. Le premier journal, en hein, en le premier journal, privé. Donc c'est ça, numérique. Parce qu'à leur temps, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait, pas, de Facebook Il tout. il avait Pas de réseaux sociaux. Donc tu as préféré numériser ce qu'il a commencé. Continuer ce qu'il a déjà commencé. Et augmenter, améliorer, mettre à jour. Et de se croire devant ses yeux. Devant ses yeux. Voilà devant ses yeux. Donc c'est ça aussi un héritage vivant, tu vois, ton héritier. Tu rends hommage au vivant. Ouais. Rendons-nous hommage vivant. Et c'est ce que je fais à travers la page culture euh, Niger, parce que quand vous prenez la page culture Niger, mhm. et aussi la petite série sur le gâteau, mhm. c'est vrai, le papa a commencé, j'essaie d'améliorer. Mhm. Aujourd'hui, quand vous parlez de Sidiki Diabaté, c'est parce qu'il y a le Diabaté. Tout le monde pense au Diabaté. Mhm. Et c'est un peu pareil. Mais ici au Niger, malheureusement, quand la personne fait quelque chose, on ne voit pas ses arrières. Hmm. Voilà. Normalement, aujourd'hui, quand on parle de culture Niger, on doit voir l'initiateur à la base. On doit voir M. Kazel. M. Kazel qui est là. Je lui dis merci, papa. Alors, papa, la machine, Dandy, vous rend aussi hommage. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la culture nigérienne, M. Kazel. Cher papa, merci aussi pour tout ce que vous êtes en train de faire. En train de faire parce que quand vous prenez le premier groupe musical, les ambassadeurs du Sahel a été formé par M. Kazel. Et donc dans ce groupe, il y avait Alaj Taya, Emile Toussa, Ali Jubo qui a fait Mougou Magani et qui par après s'est transformé en international. tu vas me laisser finir. Vas-y. Il est aussi toujours aux côtés de la jeunesse nigérienne. Récemment, je l'ai vu à un événement au Radisson. Ben, c'est énorme et c'est grand. Et merci aussi de croire en nous. Beaucoup ne croient pas du tout. C'est vrai. Mais rares sont ceux qui croient. Donc, du coup, pour cela, pour la croyance en nous, Papa Kazel, respect et considération. Que Dieu vous bénisse. Niger Culture. Oui. C'est sur Facebook. Comment s'abonner Comment avoir le contenu Quel contenu tu diffuses sur cette page Écoutez. On va commencer par l'abonnement. Pour l'abonnement, c'est simple. Vous cliquez juste Alt Culture 227 et vous avez le lien. Ça, c'est sur Facebook. Sur Instagram, c'est Culture Civilisation Niger. Et sur Twitter, c'est Culture 227 Niger. Combien d'abonnés déjà Déjà, on est à 130 000 abonnés. Et c'est énorme pour le Niger. 130 000, tu vous faites partie des influenceurs mais je pense que je ne travaille pas assez. Je trouve que c'est minime. Tu travailles chaque jour que Dieu fait. Et ça va le faire, t'inquiète, ça va marcher, ça va aller. On est là, tout compte faire. J'espère que c'est, hein. ça va aller, grand frère. On va le faire, ça va aller. S'il y a des personnes. Le contenu, on peut avoir une idée du contenu de la page Niger Culture. Et le contenu de la page Niger Culture, c'est assez simple. C'est ce qu'on vit tous les jours, ok c'est une manière. Qu'est-ce qu'on vit tous les jours, Kazel Est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur Quelques détails, c'est assez simple. Hein. notre manière de nous habiller. Qu'est-ce qui fait galérer les moustaphes quand ils suivent la page La viande. culture culinaire. Culture culinaire. Et c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Hein. C'est le fait de partir au marché du Diamagué, mhm. prendre le Windu teya, mm le Moringa, mhm. le préparer et venir le molester. Mhm. J'enlève mes bagues, je moleste. Devant les gens. Aïe, aïe, <laughs> tu vas donner envie à Lawan de revenir au pays, Lawan de l'ONAC. De l'ONAC, ouais. Et certainement, lui, c'est que du Bundu Bundu séché et puis congelé. Congelé. Oui, il n'a pas le vrai. non, le goût n'est pas pareil. Le gars n'est pas pareil. Donc, on tata, nous sommes à la fin. En dehors, donc, euh, bien évidemment, de la culture culinaire, tu mm. accompagnes aussi les artistes Oui, effectivement. Donc, chaque jour sur la page Culture Niger, on a uh-huh. l'artiste du jour. L'artiste du On essaye de faire euh, la biographie de l'artiste. Biographie de l'artiste. C'est qui l'artiste Qu'est-ce qu'il a fait La preuve. Récemment, j'avais fait la biographie de Djingare Mega, qui est un cinéaste. cinéaste. Il a fait plus de 50 ans de carrière. Le dernier film, Le Pardon. Oui, et vous voyez, c'est son héritage aussi. Bouba. Son tout dernier, c'est Femme Noire du village avec Hadiza Qu'il est en train de retourner. Mais lui aussi, il doit être fier. Pourquoi Parce qu'il a un enfant qui s'appelle Bouba Djengere Mega. Super. Qui a son quatrième long métrage. Et il, est, il a aussi hérité. Il a aussi hérité. Donc vous vous ressemblez un tout petit peu. Nous sommes à la fin de la rubrique consacrée à la jeunesse nigérienne. Monsieur Kazel Junior. Junior, merci. On va bien évidemment te donner la possibilité de faire la promotion de la page Média Culture. Donc l'instant est solennel. Tout ce que tu as dit pour amener les jeunes à aimer, à te suivre de près, parce que te suivre, c'est aussi s'enrichir. Nul n'a le monopole du savoir. Et Dieu a dit, il faut aller chercher le savoir jusqu'en Chine. Jusqu'en Chercher le savoir sur la page Média Culture. Comprendre la culture, c'est apprendre. Comprendre, c'est apprendre. Donc, du coup, je te donne cette possibilité de t'exprimer sur l'émission de Salafara. L'artiste s'exprime, c'est la rubrique. Hey. Et pour vous dire aussi la vérité, et Culture Niger est en train de préparer quelque chose pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle Fada 2.0. C'est pour compléter tout ça la Fada. Ce qu'on est en train de vivre tous les jours, comment sensibiliser. Enfin, ici, on parle que de sensibilisation, FADA 2.0. Comment faire des jeunes citoyens actifs, responsables pour le Niger, à travers le vélo, à travers ne pas jeter, ne pas transformer Niamey en dépotoir. Donc ça, c'est FADA 2.0 qui a un lien avec tous à la FADA. Donc pour vous dire, euh, comme l'a dit le grand frère, Culture Niger, c'est une école. C'est l'école de la culture nigérienne. On essaie de vous mettre quelque chose de fiable parce qu'on a numérisé plus de 5000 œuvres artistiques et culturelles du Niger. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le jeune Nigérien, il est acculturé. Ne revenons même pas sur ça. On est acculturé. Le Nigérien, il préfère consommer l'extérieur que de consommer le local. Et c'est pour ça que Culture Niger, l'association, a réfléchi à un site web namune.ne pour qu'on puisse vendre nos produits de l'artisanat, nos produits made in Niger sur l'Internet. OK et juste après ça, on est en train de préparer un Music Award qui va compléter le prix d'Angourmou. Le prix d'Angourmou, il est toujours là. Et je pense à Alajta, qui est le premier qui a gagné le prix d'Angourmou. Il est toujours là. Il va se passer dans les différentes régions du Niger. C'est ça la différence. Le Music Award se passera à Mahatma Gandhi et c'est chaque mois d'août où il fait bon vivre à Niamey. Et donc c'est pour mettre en valeur les artisans traditionnels, les, les artistes modernes, les promoteurs culturels, les personnes qui influencent la culture. Je pense à une personne comme Dondi. C'est des personnes qu'on doit décorer. Des awards, ce n'est rien, mais ça encourage. Et Staya a chanté l'amour et j'espère qu'on va toujours chantonner l'amour. ni na gane ki Maryam Maryam ki haukata ni ‘yan umma sun ka ce in bar Maryam Maryam ta girmama nan Maryam ta girmama can Maryam Maryam Maryam Maryam ki haukata ni Allah kuba na gode garan fara